le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou et bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du forum d'aujourd'hui, la sécurité au Sahel, une situation marquée, comme vous le savez, par la mort du maire Boukan, Hamad Ahmed au Mali, suite à ce qui s'apparente à une bavure militaire et au Burkina, des attaques terroristes suivies de ripostes alors que se tenait le sommet du chef d'État du G5 Sahel. En football, la Coupe africaine des nations Cannes U20 amorce le virage des, derniers, des demi-finales avec la fin ce week-end des matchs de poule. Pour développer ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Sidik Ali, analyste politique. Sidik, bonsoir. Bonsoir. Issa Marumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Eh, Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Nous attendons des moments à l'autre Rufai Dandoua. Au micro, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 8 février 2019. Nous ouvrons ce forum par la situation sécuritaire qui prévaut dans le Sahel. D'abord au Mali ou dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger, Hamad Ahmed, le maire Bokan, a été tué lundi par des militaires maliens qui ont ouvert le feu sur un véhicule suspect à Menaka, information donnée dans un communiqué du ministère malien de la Défense rapporté par l'AFP et qui précise que, je cite, ce jour 4 février 2019, aux environs de 5h20 minutes du du matin à Menaka, un véhicule suspect en direction du dispositif des forces armées maliennes n'a pas obtempéré aux sommations. Fin de citation. Alors je commencerai tout de suite avec vous, Sidi Ali. Bavure ou pas, comment bien prévenir de telles situations dans ces contextes d'insécurité euh, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, je pense que, euh, comme l'a dit le communiqué, euh, c'est une bavure. Vraiment, c'est un fait regrettable que dans le contexte actuel où on cherche à, à racoler les, morceaux, on cherche un peu à apaiser les tensions, euh, faire en sorte que les différentes composantes de la nation malienne euh, puissent se retrouver et vraiment tourner la page sombre, vraiment en tout cas, euh, que ce voyant peuple est en train de vivre. Mm. Donc moi je pense qu'en ce moment, ce genre d'actes ne sont pas du tout les bienvenus. C'est vraiment regrettable parce que le maire d'Adramboukan, quand même, c'est un acteur clé dans le processus de paix. Donc, il est connu comme étant quelqu'un de très modéré. Donc, aujourd'hui, euh, ce monsieur est tombé sous le bal euh, de la partie amie. Donc, tu vois, euh, ce n'est pas du tout de nature à encourager et à favoriser Est-ce des choses qu'on peut prévenir Vous savez, le problème, c'est pas seulement au Mali. Partout, ça se pose ce problème. Quand les armées sont en tension, quand les armées sont vraiment dans une zone d'insécurité totale, euh, c'est des hommes. Ils sont comme vous, ils sont comme moi. Le plus souvent, euh, ils ne sont pas nombreux ceux qui arrivent à contrôler leur nerf, mm. et surtout quand vous êtes vraiment dans le viseur de l'ennemi. Parce que si tu ne tues pas, il te tue. Mm. Donc, vous êtes pas, totalement dans ce qu'on appelle une sorte de euh, paranoïa. Donc, vous essayez vraiment en tout cas de contrôler tout autour de vous mm. et, de réagir. Hein. Et de réagir vraiment en tout cas au pif, mm. c'est-à-dire de façon instantanée. Et cela amène souvent des situations regrettables. Vous avez dû apprendre même dans la région de Difa. À Ngigimi, il y a eu vraiment en tout cas des, personnes qui sont tombées. Mm. À Difa, il y a eu des cas comme ça. Et bon, tout ça, il faut le mettre sous le compte vraiment en tout cas un peu euh, de, caractère anormal de la situation de guerre. Issa Mormadou Bon, écoutez, moi je pense que d'abord, euh, cette situation, euh, elle est regrettable parce que c'est l'homme dont il était question qui c'est une grande perte pour le processus de paix et d'insertion des ex-combattants euh, dans l'armée malienne. Je pense que c'est une grosse perte qu'il faut déplorer. Mais néanmoins, il faut un peu ne pas aller vite en besogne. Moi, je pense que les faits ont été rapportés, mais il faut aussi une enquête indépendante pour déterminer réellement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que avant, parce que ce n'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qui se passe dans la zone, alors est-ce qu'il y a eu une, euh, une défaillance euh, entre la transmission des informations bien non, parce qu'il devrait aller prendre un vol, vol, pour Bamako. Donc autant avant son départ, il devrait les informer. Je pense que c'est l'enquête qui va déterminer maintenant les véritables causes euh, de l'accident. mais cette zone aussi est réputée être une zone extrêmement dangereuse parce que la pression qu'il y a sur les militaires également là-bas, tout véhicule suspect s'apparente à une attaque hmm. de djihadistes. Quand on connaît qui est réellement se trouve dans cette zone, c'est Al-Sharawi, c'est l'État islamique au Grand Sahara. Quand on connaît aujourd'hui la capacité de nuisance de ce monsieur. Heureusement qu'il n'est pas très connu à, attaquer les gens, mais on a quand même peur de lui parce que c'est lui qui était à mm. la base de, de ce qui s'est passé ici à Tongo Tongo. Donc, voyez-vous, peut-être ça, ça peut avoir une pression sur, euh, <clears throat> sur les éléments des forces de défense et de sécurité qui étaient dans la zone et qui ont eu à tirer. Mais je pense que il faut d'abord attendre l'enquête, les conclusions de l'enquête qui va donner les véritables raisons. Mais Est-ce qu'il y a déjà une enquête en cours Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore entendu ce. Mais peut-être que moi, je pense. C'est un souhait. C'est un souhait. Et, si ce n'est pas déjà. Non, c'est aussi une nécessité. Parce qu'il ne faut pas que de l'autre côté. Parce que c'est un élément de, euh, pont. Il sert de pont entre euh, les, les, indépendant, les indépendantistes et euh, et, le côté gouvernemental. gouvernemental. C'est un homme clé dans le processus de paix. Donc il ne faudrait pas que de l'autre côté, ça soit perçu comme euh, euh, une élimination ciblée du fait de sa proximité avec les forces indépendantistes. Donc voyez-vous, c'est pour cela que l'enquête, elle s'impose. Et vraiment, c'est une obligation pour l'armée malienne d'ouvrir cette mm. enquête avec l'aide possible de l'aménagement, je pense qu'ils peuvent arriver à des bons résultats pour rassurer les partis. Parce que là-bas, ce que ce monsieur a eu à faire dans le processus de paix, de réconciliation, c'est que les Maliens de cette partie du pays puissent croire à l'État. C'est une personne clé. Euh, c'est une personne clé et d'avoir ce sentiment d'appartenance à une nation. C'est ça, son travail vraiment est à saluer. C'est une grande perte pour la nation malienne mm. euh, que je, on prie pour lui, pour le repos de son âme la terre du soir Rufai Dandoua vient de nous rejoindre. Euh, Rufai, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous parlons du décès du maire d'Adram Boukan qui a été tué euh, par des militaires maliens euh, qui ont ouvert le feu sur lui, sur son véhicule, en tout cas qui tentait de, franchir des barrières militaires. Oui, vous savez, et dans ce genre de, dernier. Oui, dans ce genre de circonstances, je suis dit que... Comment est-ce que ce genre de situation, en tout cas être prévenus, comment peut euh, prévenir à la, euh, dans ces, ces genres de... Euh, c'est difficile. Hein. Vous vous rappelez lorsqu'il y avait des attaques ici vers euh, les, les assaillants euh, prennent des fois ou, sous, ou, la plupart des temps les mêmes accoutrements que les militaires ou les gendarmes nigériens, les mêmes voitures, de sorte que lorsque lorsque les attaques et nos, militaires ou nos, forces de défense et de sécurité croient un moment que ce sont eh, des, leurs qui, qui, viennent, oui, oui, ce sont des, forces amies ou eh, de, leurs camarades qui, qui, sont en train de venir. Or, comme il l'a dit, comme dit l'a dit, tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est sur le qui-vive, il y a la paranoïa et, qui est là. Donc, il faut être prêt et ne pas être surpris. Et normalement, il y, a des, il y a des consignes de sécurité, euh, en tout cas partagées. Hein. Justement, il y a des informations. Lorsque aussi ces informations ne sont pas bien données, lorsque des informations ou ne viennent pas à temps, il y a toujours ce genre de, de bavures, si c'est des bavures qu'il y a. Et c'est vrai, peut-être qu'il faut une enquête, mais je ne pense pas que, que à l'heure où nous sommes, au moment où les tensions sont palpables sur le terrain, les gens vont avoir le temps à aller vers les enquêtes qu'à plutôt aller vers la sécurisation du Mali qui est devenu aujourd'hui, euh, je ne veux pas utiliser le, terme, mais pas un État tout à fait entier. Donc euh, les, gens, les gens se cherchent et les gens veulent aller vers euh, une unification d'un État malien, ça va être extrêmement difficile pour eux. Ils ont autre chose à faire que d'aller vers l'enquête à l'heure où nous sommes. Mais je pense qu'il est important, peut-être après, pour essayer de situer les responsabilités. Et au Burkina voisin, euh, on a vu en tout cas attaques terroristes aussi survenues, mm. avant et pendant le sommet des chefs d'État du G5 Sahel. D'abord à Ken, euh, entre dimanche et lundi, avec 14 victimes civiles euh, puis une riposte des forces armées burkinabées qui a permis de neutraliser 146 terroristes, selon un communiqué du directeur de la communication de l'armée burkinabée, le colonel Lamoussa Fofana. Et mardi 5 février, jour de la tenue du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, cinq gendarmes trouvent la mort et trois autres blessés dans une embuscade lors d'une contre-offensive. Alors, Rufai, quelle est votre analyse sur cette montée en puissance des attaques intervenant dans un contexte où les présidents, en tout cas les cinq chefs d'État du G5 Sahel, s'est trouvés à Ouagadougou oui, et ça, c'est. Pour parler justement de cette un message que les, terroristes envoient aux, Lorsque vous vous rassemblez avec vos militaires, avec vos chefs d'état-major pour essayer de trouver des stratégies, donc on fait une attaque pour vous dire que que vous fassiez, on est là et ça ne nous fait pas peur. Mais ce que je veux dire pour le Burkina, c'est que qu'on a la recrudescence n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le départ de Blaise Compaoré. Si vous vous rappelez, et même certains mois, j'ai suivi, je crois, c'est un ministre burkinabé qui disait euh, que euh, peut-être il parlait au conditionnel qu'il y, a, y aurait une jonction ou une entente entre euh, euh, le régime de Blaise et les, les, comment s'appelle, les terroristes pour ne pas attaquer le Burkina. Mais ce, qu'on, euh, ce à quoi on assiste, c'est que depuis le départ de Blaise, le Burkina est devenu, est devenu la cible des terroristes et on a comme l'impression que les militaires burkinabés et ne sont pas ou n'ont pas les capacités pour répondre euh, concrètement euh, à ces, à, ces, attaques. J'ai vu qu'il y a même euh, le changement des, responsables militaires pour mm. pouvoir enrayer le danger, mais on a comme l'impression que cette armée n'a jamais, n'a pas encore été préparée à ce genre de, choses. Conséquence, aujourd'hui, c'est le pays le plus, le moins fiable euh, de, de, tous les G5 Sahel. Et je pense qu'il faut faire quelque chose parce que le Burkina en souffre déjà, ça fait beaucoup d'années. Euh, Sidi Kali, le Burkina en souffre, les autres pays aussi, le, Niger, le, euh, Mali. les autres pays en souffrent. Chacun essaie vraiment, en tout cas à sa façon, et en fonction de ses moyens. Comment vous, voyez, euh, en tout cas, ces attaques qui sont intervenues dans, venir là, Comme l'a dit tout à l'heure Rufai, vous savez, les terroristes sont très forts dans la symbolique. Euh, le symbolisme, c'est quelque chose d'extrêmement important quand vous êtes en face euh, d'un ennemi puissant. Quoi qu'on dise, dans tous les cas, les États ont toujours vraiment, en tout cas, cet avantage d'être quand même organisés, avoir vraiment une situation vraiment en tout cas légal Les États sont forts face au terrorisme. Dans tous les cas, même malheureusement, euh, face vraiment à un combat symétrique de ces gens, les États sont souvent vraiment en tout cas malmenés. Mm. Mais quoi qu'on dise, un État reste un État. Voyez-vous. Maintenant, le, symbolisme, c'est-à-dire, euh, je parle de l'attaque euh, vraiment en tout cas consécutive c'est-à-dire que, oh, euh, qui s'est tenu au même moment que les chefs d'État sont là-bas, c'est pour une façon de dire que, <laughs> voilà, vous êtes euh, euh, en train de faire votre balai diplomatique quoi, que, je sais pas, et nous, nous sommes en train de frapper vous mm. Mais cela ne veut pas dire que le Burkina aujourd'hui est à genoux et que les autres États aussi doivent céder à la panique. On a parlé de 146 terroristes tués. Oui, mais écoutez, c'est pour vous dire que les États restent encore forts. Mm. Aujourd'hui, prenons le cas même au Niger euh, le cas de Boko Haram. Vous allez voir souvent, c'est des paisibles citoyens qu'on tue ici, ou bien par exemple un militaire euh, en mission, des trucs comme ça, euh, pour frapper les esprits. Et même, vous avez vu l'exploitation même des de, des médias aujourd'hui par les, terroristes. quand vous essayez de voir, oui, par exemple, quand vous prenez euh, les médias, le format .1 ou bien 1.2, euh, tous ces gens de les réseaux sociaux et les médias, par exemple, audiovisuels, les terroristes sont aujourd'hui as dans leur exploitation. Et quelque part, même, ça a fait dire même aujourd'hui à certains penseurs que est-ce que les médias ne sont pas en train de servir sans le savoir vraiment la cause du terrorisme Parce que les moindres faits, nous, nous l'amplifions, nous le montrons à l'opinion internationale. Et le plus souvent, euh, quand les gens cèdent, eux, ils gagnent. Vous comprenez Quand les gens, les gens cèdent à la panique, euh, ça les affaiblit moralement. Et quand ça les affaiblit moralement, eux, ça leur donne toujours cet avantage. Deuxièmement, tout à l'heure, euh, il y a un aspect que Rufai a souligné qui est très important. Vous savez, le Burkina paraît un peu le, euh, ventre mou aujourd'hui du système de défense au niveau de la sous-région. Le maillon faible, vous voulez dire Oui, le maillon faible parce que depuis ce qu'on connaît. C'était le départ vraiment de Blaise Compaoré, qui était un peu, en quelque sorte, euh, le leader dans la sous-région, dans la gestion vraiment, en tout cas, de ce portefeuille sécurité, terrorisme, autre là. Le pays a été complètement désarçonné. Et de l'autre côté aussi, il y a euh, le, la tête de pont de l'armée burkinabé aussi qui a été totalement détruite, le respect. Donc, ce qui a fait que l'armée même burkinabé est totalement aujourd'hui désorganisée et l'énergie qui était l'énergie vraiment en tout cas euh, de du Burkina euh, le Burkina en tant qu'État, mm. l'énergie de l'armée burkinabé, le, leadership du, président Blaise, tout cela aujourd'hui est parti avec Blaise. Mm. Et donc, euh, maintenant, nous sommes dans une situation où pratiquement tout est à refaire. Et malheureusement, c'est en ce moment précis que le phénomène terroriste est en train de frapper au nord. Et même il étudie les terroristes. Ils ne le font pas par hasard. Mm. Ils ne le font pas par hasard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que le Niger est une sorte d'enclave de paix dans la sous-région, dans un contexte où tous les pays sont en train vraiment, en tout cas, d'être agressés de part et d'autre C'est quoi Quoi qu'on dise, c'est une affaire vraiment, en tout cas, de préparation. Bien. Bien. Issa Mormadougou, vous, quelle est votre opinion par rapport à, ces attaques euh, répétitives et, intervenant à un moment euh, précis Merci. Vous savez. Euh, euh, mes, prédécesseurs ont eu à le notifier, déjà, c'est la situation actuelle du, euh, de l'armée burkinabé qui occasionne cela. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé Après Blaise, on a fait le procès d'un régiment en entier. Et il se trouve que c'est le régiment le plus puissant de l'armée. Hmm. Qui peut vraiment réagir avec promptitude, avec des résultats concrets. Les Burkinabés ont passé tout leur temps. Dès que euh, Rock était venu, à faire ce procès par l'intermise de Salif Diallo qui a des comptes à, régler. Maintenant, lui se trouve dans sa tombe et le problème du, des Burkinabés s'amplifie de, jour en jour. Voyez-vous, c'est pour cela il y a paix à son âme. <laughs> Merci beaucoup. Il faut il faut pas que nous abandonnions dans le même sens que cette citation de Senghor, l'émotion est nègre, la raison est laine. Mm. Parce qu'il faut que nous pensions d'abord à poser des actes qui, <laughs> Merci beaucoup. Il faut que nous posions des actes qui puissent être bénéfiques à toute la nation. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Le Burkina, aujourd'hui, est dans l'obligation de réformer. Son réformer Son armée. Évidemment, parce que aujourd'hui, quels que soient les moyens qu'ils vont mettre, on a remplacé la tête, le chef d'état-major, le premier ministre qui vient d'être nommé, a comme mission première de juguler la crise sécuritaire et économique. Mais comment voulez-vous que dans, cette, dans ce climat de méfiance, que l'armée puisse... Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent être ensemble, dans le même contingent. Mais s'ils se méfient entre eux, mais moi je pense qu'il n'y aura pas de résultat. Mais c'est cette partie du Burkina. Cette partie du Burkina, pourquoi aujourd'hui on constate que ça, y a cette recrudescence hmm. Parce que tout simplement, cette partie a été et délaissé depuis des années. On a laissé cette partie du Burkina. Aujourd'hui, ce, euh, ce, cercle-là du, du, du, Gourmand dans le Niger, le seul État, je l'ai dit récemment, qui existe, c'est le Niger. Il faut dire aussi Donc, que je vais m'arrêter pour donner un peu... L'insécurité ouais, a migré euh, un moment, euh, c'est une zone quand même. J'aimerais juste dire un mot, mm-hmm. même s'il si y avait eu des accords entre Blaise et, les terroristes, un moment, il faut dire que le Burkina se fait harakiri euh, comme ils l'ont dit après le départ de Blaise, eh, Djangere, qui est peut-être le militaire le mieux informé de la sous-région, a été pris comme bouc émissaire. Bah, la, garde, républicaine a été démantelée, pensant qu'elle allait, elle allait revenir et sans le savoir, l'armée s'est émiettée et aujourd'hui, euh, le Burkina est devenu une proie facile pour les terroristes. Mais est-ce que vous pensez que si tous ces gens-là euh, étaient là aujourd'hui, euh, le Burkina n'aurait pas subi ces attaques On ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro. mais quand même, c'est parce qu'on a dit que les terroristes, ils sont aussi des gens qui pensent, faire qui face aux terroristes, qui, avoir, défient. Faire face aux terroristes, c'est avoir des renseignements. C'est pour ça que je disais, Gendry était le militaire le mieux renseigné de de, région Il, était en contact. Oui, était en contact avec les Américains, avec, bien, les, Français. Hmm. Donc, il savait ce, qui pouvait arriver et on pouvait prévenir, lorsqu'on sait ce qui pouvait arriver. Parlons, parlons du, sommet justement qui s'est tenu euh, donc à Ouagadougou, euh, la capitale burkinabé, le mardi. Euh, pour parler de la lutte contre le terrorisme, la recrudescence des conflits intercommunautaires et la fermeture de beaucoup d'écoles dans certains pays du G5 Sahel. Euh, c'est entre autres points en tout cas qui ont été abordés et des recommandations en sont ici. Le résumé avec euh, Miki euh, Rouaba, journaliste à la radio Ouaga FM basée à Ouagadougou. Il est joint au téléphone par Adam Adaweki c'est d'abord euh, le passage de témoins entre les présidents Mahamadou Issoufou du Niger et Roch Marc Kabore du Burkina. Mais le plus important aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Et sur l'ensemble des cinq pays membres du G5 Sahel, il y a des pays qui font des attaques terroristes pratiquement au quotidien. Le cas du Burkina Faso, c'est le cas également euh, du Mali. Donc le chef de l'État du Burkina a euh, pris l'engagement avec ses pairs des autres pays de marquer un point d'honneur dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la question de l'éducation de façon générale, les chefs d'État ont décidé d'accentuer la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Et c'est cette lutte-là qui va permettre justement la reprise des activités scolaires euh, sur l'ensemble des écoles fermées. L'autre aspect, non moins important, c'est que les chefs d'État ont convenu, à la lumière justement des travaux des experts, qu'il faut travailler avec les populations civiles parce que les terroristes trouvent un terreau fertile mm-hmm. chez les populations qui sont euh, désœuvrées. Miki Rouaba, journaliste à la radio Ouaga FM euh, au Burkina. Euh, Sidi Kali, quel commentaire sur l'opérationnalisation du G5 Sahel et ses limites Vous savez, euh, les limites, c'est surtout les limites qu'il y en a. Hein. Il faut, il faut le dire très clairement. le G5 Sahel, voyez-vous, est configuré selon un schéma bicéphale il y a d'un côté l'aspect militaire, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, qui doit être développé, renforcé et rendu opérationnel. Et de l'autre côté aussi, il y a l'aspect développement. Effectivement. Pour combattre ce qu'on appelle euh, l'ignorance, l'analphabétisme, le manque des infrastructures. La pauvreté. La pauvreté en général, voilà. Donc, euh, il y a les deux aspects. Et les deux aspects ont été euh, toujours mis sur la table face aux bailleurs de fonds et aux partenaires économiques, techniques et financiers le chef de l'État du Niger, le président Issoufou, vous le savez très bien, a fait preuve de beaucoup de leadership, mm. euh, vraiment dans la recherche des financements. Mm. Avant lui, le président Déby l'a fait, le président malien l'a fait, qui l'a précédé. Mm. Mais chaque fois, malheureusement, très malheureusement, le problème qui se pose, c'est que nous avons en face des partenaires, dont les plus grands, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, l'Arabie saoudite, donc voyez-vous, et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, vraiment, en tout cas, de manque d'engouement, c'est-à-dire de manque vraiment d'intérêt à l'égard du message, mm. oui, de financer vraiment ce grand projet-là. Parce que euh, le problème, c'est que, euh, quoi qu'on dise, euh, ces ce genre de financement énorme, ce genre d'engagement politique international est toujours lié à un agenda géostratégique et géopolitique. Mm. Ce n'est pas, ça ne vient pas au hasard comme ça. Quand vous prenez aujourd'hui les États-Unis, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les Français. Quand vous prenez les Français aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que l'Arabie saoudite. Vous allez vous poser toujours la question, pourquoi l'Arabie saoudite dans ces mêlis qui concernent quand même le continent africain, loin d'eux. Donc, c'est-à-dire que dans ce problème-là, nous avons une difficulté majeure, celle de mettre en harmonie, c'est-à-dire celle de faire une sorte vraiment, en tout cas, de euh, de synthèse vraiment de l'ensemble de, de, ces, de ces centres d'intérêt et maintenant présenter quelque chose qui peut vraiment, en tout cas, euh, motiver chacun à intervenir. Est-ce qu'il est qu'il y aurait, est qu'il y aurait des, des, des, éléments qui euh, n'encouragent pas les autres partenaires, comme vous dites, euh, non, dans l'ensemble même, c'est-à-dire que ces éléments, si vous avez remarqué aujourd'hui, les puissances occidentales préfèrent être militairement eux-mêmes, euh, elles-mêmes présentes sur le terrain, avoir leurs propres forces, bien équipées, avec des radars, avec des, des, pas, de drones et suffisamment vraiment, en tout cas, d'une flotte aérienne sur place, que d'avoir une force du G5 Sahel pleinement opérationnelle, avec les moyens qu'il faut avec vraiment, en tout cas, cette aptitude à se déployer, à se téléporter partout dans l'espace sahélo-saharien. Voyez-vous, c'est une question vraiment. C'est là, les maîtres, en tout cas, euh, euh, exposent les mal à l'aise, c'est clair. C'est-à-dire que ces États-là n'ont pas toujours abandonné le visée. Vous savez, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amour proprement dit. L'amour dans le sens noble des termes, il n'y en a pas. Même si un pays vous aime, dans tous les cas, cherchez à savoir quels sont les points les atouts que dont je dispose. voilà, les points qui, qui, fondent un peu vraiment, en tout cas, cette, euh, cet intérêt de l'autre État-là. Vous comprenez Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on peut, d'une façon vraiment, on n'est pas des spécialistes de la géopolitique, mais on peut mm. le savoir. Les Français, dans tout cela, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de contrôler vraiment, en tout cas, leur uranium, l'exploitation de l'or et de l'uranium dans l'espace euh, vraiment, en tout cas, saharien. Voyez-vous De l'autre côté, les Américains aujourd'hui, ils ont vraiment, en tout cas, un chemin géostratégique à long terme qui les a poussés à se désengager de la Corne de l'Afrique pour venir vers le Grand Sahara. Aujourd'hui, leur centre d'intérêt, c'est le Niger, euh, le nord du Niger et la Mauritanie. Et aujourd'hui, quelque part aussi, ces pays de ces puissances aujourd'hui sont en train de réussir à contrer un peu les velléités de certains pays comme l'Algérie, qui n'est pas aussi euh, une petite, euh, vraiment, en tout cas, nation. Mm. Voyez-vous C'est un moyen extrêmement important qui a aujourd'hui, avec qui il faut compter. Alors, d'aucuns disent que, justement, l'Algérie, euh, le fait que l'Algérie ne soit pas. dans le G5 ne soit pas dans le 5 pas aussi. partenaire vous affaibli. En fait, c'est ça un peu l'incohérence diplomatique qui a caractérisé vraiment, en tout cas, un peu cette démarche ces dernières années. Voyez-vous, on fait le G5 a d'un côté, de l'autre côté, il y a la CBLT qui est en train de d'évoluer. Et hier seulement, le Togo, le Bénin, euh, un certain nombre de pays, le Ghana et autres, là, ils ont dit, eux, ils vont créer le G4. Voyez-vous, demain, c'est le G6, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incohérence. Or, l'idéal serait que toutes ces nations soient dans un même bloc, qu'ils aient la même mission, c'est quoi C'est de se défendre contre l'ennemi qui veut mettre en cause la légitimité et la souveraineté, des États africains. Hmm. Alors, Issa, euh, nous allons revenir sur Kali. Issa Madougou, vous avez écouté euh, le, ce, compte-rendu du journaliste euh, Miki Roaba de, de la radio Waga FM. Vous avez suivi également cette rencontre des chefs d'État. Quel commentaires vous avez au, sujet de cette rencontre et ben, des résultats Les résultats, ils, ils ont dressé leur rapport, leur communiqué final a détaillé ce qu'ils ont eu à faire. Mais Jusque-là, les défis restent les mêmes. Les enjeux sécuritaires sont là, les défis de développement s'imposent. Comment aussi parvenir à faire le lien entre développement et sécurité Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, euh, la pauvreté grandissante dans ces zones a fait en sorte d'amplifier euh, la situation d'insécurité qui prévaut aujourd'hui, le déplacement des populations et aujourd'hui encore ce, qu'on assiste aujourd'hui, ce banditisme, effectivement la, fermeté fermeture des écoles, l'inexistence, bref, euh, des services sociaux de base dans ces zones. Donc, voyez-vous, c'est toujours les défis. Mais moi, je voudrais que euh, on soit réaliste avec nous-mêmes dans ce qu'on fait et la cohérence dans nos idées. Voyez-vous, on a applaudi quand il y a eu cette synergie entre les États, mais il serait vraiment excusez-moi du terme, utopique de juguler la crise sécuritaire sans l'Algérie. Et le Nigeria, le, aussi. Il faut donc revoir les textes de, de G5 Sahel qui, ne veut, qui n'accepte pas un autre adhérent qui n'accepte même pas parce que le Soudan a fait une demande d'être membre ou bien pays observateur. La dernière session qui s'est tenue ici en 2018 à Niamey. Donc il faut qu'il y ait une refonte totale des textes pour faire amener d'autres parce que aujourd'hui le terrorisme c'est quoi Pour gagner le terrorisme ou bien pour y stopper hmm. la euh, le terrorisme, c'est le renseignement. Quand votre système de renseignement n'est pas efficace, vous ne pouvez pas jamais avoir le dessus sur ces gens. Mais on a vu que ces, pays, la plupart de ces pays collaborent avec euh, euh, les pays étrangers, on va dire, des partenaires. oui, officiellement, mais attendez, quelqu'un ne peut pas vous protéger. La protection, la sécurisation de vos biens et vous-même, de votre famille, personne ne peut le faire à votre place. Et c'est en en ayant des bons rapports avec votre voisin que vous pouvez encore contrecarrer et se placer dans la tête des autres qui, peuvent, qui veulent venir pour pouvoir anticiper sur leur réaction. Aujourd'hui, c'est quoi On est dans un nouveau format de guerre, le terrorisme. Mm. D'abord, nos armées ne sont pas adaptées à cela. Nous avons quel type d'armée dans tous les pays C'est des armées de répression et des armées de protection des princes et des gouvernants. Il faut qu'il y ait des armées de peuple. Parce que dans cette guerre, de quoi on a besoin Une collaboration. Une collaboration entre les forces de défense et les populations. Il faut que eux-mêmes, ils s'approprient, qu'ils se sentent en sécurité avec ces gens-là. Donc, aujourd'hui, il s'impose de réformer nos armées et d'aller vers ce qu'on appelle l'armée des peuples, l'armée qui protège le peuple, pas l'armée de répression ou de protection des gouvernants. Hmm. Aujourd'hui, c'est ça des problèmes que les gens ne veulent pas Alors, dire. Alors, euh, pour, vous, euh, l'Algérie, qu'est-ce que l'Algérie peut apporter aujourd'hui euh, dans le G5 Sahel L'Algérie, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît aujourd'hui la puissance du service de renseignement algérien. Algériens, ils sont, ils sont capables de vous dire ce qui se passe dans le golfe du, du, de la Guinée, ou bien comment il s'appelle ici, au confins du. oui? oui, le golfe du, golfe du Guinée, ou bien comment aux confins du Nigeria, du Bénin, un peu ce qui se passe, même sur le, la piraterie. Parce qu'ils savent comment. C'est quelque chose qui a été bâti depuis des années. Nous, eux, ils ont les moyens, parce que le renseignement nécessite des moyens. Nous n'avons pas les moyens. Pour finir, aujourd'hui, il y a aussi ce défi de développement. Et ce qui rend plus complexe la tâche, c'est qu'on vous dit, on dit à nos pays, vous avez de l'argent, on a l'argent pour vous. Mais ce n'est pas à vous qu'on va remettre l'argent. Il faut que vous fassiez des propositions pertinentes, des, projets mm. valables qui peuvent avoir des impacts sérieux. C'est maintenant à la tâche que nos pays devront s'atteler. Moi, je pense qu'ils ont déjà franchi eh, vraiment des étapes qu'on peut saluer. Par exemple, la mise en la libre circulation. Mais il faudrait aussi aller encore plus. Impliquer les voisins. Mais c'est qu'il ne faut pas aller sur plusieurs fois en même temps. Bien, Ce pas possible. On ne peut pas vraiment courir <laughs> et faire autre chose. Bien, Rufai Dandua. Je pense que les défis qu'on avait cités, les défis de développement, surtout à l'interne de, de, nos pays, l'autre défi, c'est le financement. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que depuis l'arrivée aux États-Unis de, de Trump, avec son, son slogan American First. L'Amérique d'abord. Oui, l'Amérique d'abord. Tout, tout, a changé. Trump ne veut pas eh, donner de l'argent n'importe comment. Les armées qui sont là, les armées françaises, américaines qui sont là, elles préfèrent s'équiper elles-mêmes que de, de, de, de, eh, vouloir contribuer à, à, équiper l'autre. Et l'autre aspect, Issa l'a évoqué, c'est ce sont nos armées. Nos armées sont classiques, comme l'a dit Sidique. On, on, on, on, a plus une armée qui protège le prince parce que et ça ne va pas changer. Pourquoi Parce que nos, nos, dirigeants, et certains sont mal élus, certains, et, puis les États. Donc, il faut, on préfère se protéger que de protéger la population. Or, lorsque l'armée est toujours là, déjà elle n'est pas bien équipée, elle n'est pas bien renseignée, elle n'est pas bien payée, elle n'est pas bien formée, c'est normal qu'elle ne soit pas bien renseignée et aujourd'hui, avec eh, eh, eh, la, nouvelle guerre euh, au XXIe siècle, c'est les renseignements et les moins sophistiqués, ce que nos États n'ont pas. C'est pour ça que ces, ces, ces, terroristes sont en avance sur nous, parce que en leur sein, ils ont des têtes pensantes que nos armées n'ont pas. Oh, Donc, oh. ils anticipent sur nos armées. Et là, c'est très grave. Rapidement, c'est dit qu'Ali, nous passons au dernier sujet. C'est juste une idée pour euh, renforcer ce qu'il dit justement. Mhm. vous euh, si vous essayez de voir euh, au niveau, par exemple, des pays du G5 Sahel, et même au-delà, vous allez remarquer que les pays qui ont des armées, qui ont connu des guerres de par le passé, et ces pays-là aujourd'hui s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas connu la guerre. Mhm. Quand vous prenez l'armée algérienne aujourd'hui, par exemple, l'armée algérienne, c'est celle qui a combattu les Français avant mhm. et qui les a boutés dehors. Après ça, l'armée algérienne a toujours été confrontée à des défis sécuritaires et jusqu'à aujourd'hui, ils ont quand même tenu tête. Donc c'est une armée rodée, une armée vraiment expérimentée. Et de surcroît, l'Algérie, quand même, c'est un pays, et vous savez, ils ont une politique extérieure qui fait abstraction de toute ingérence de la puissance coloniale. Aujourd'hui, le G5 Sahel, si l'Algérie rentre, la France va sortir. Ils ne vont pas être ensemble. effectivement, parce que ça ne va plus être un cas syndicat de, de, de, de, chef d'État. Maintenant, ça va être un outil efficace de sécurisation de nos pays et de développement. Bien, nous passons au dernier sujet. Euh, avec votre permission, euh, Issa Madougou, nous n'avons pas assez de temps. Il nous reste 12 minutes pour entamer le dernier sujet. Sport, euh, football, je le disais en début de cette émission, la Coupe africaine des nations CANU 20 s'est poursuit à Niamey et à Maradi. Les deux sorties de l'équipe du Niger euh, dans le groupe A sont soldées par des matchs nuls. Le dernier vient juste de, se jouer 1-0 euh, face au Nigeria, en tout cas en faveur du Nigeria. les premiers matchs, les deux premiers matchs du Niger, 3-3 face au Burundi et un but euh, un but partout face à l'Afrique du Sud. Roufaï, quelles sont vos appréciations et remarques sur les performances des joueurs du Niger Je pense qu'on a Sur qui, en tout cas, il y avait beaucoup d'espoir. Euh, on pensait que le Niger allait pouvoir, en tout cas, s'imposer face au Nigeria pour pouvoir passer en demi-finale. Finalement, ce n'était pas le cas. Personne n'avait pensé à ça. On espérait pas qu'on joue, joue, à. Oui, mais le, le, le, Nigeria, c'est des, des, des huit, ils ont huit coupes moins de 20 ans, Coupe africaine moins de 20 ans. Donc, vraiment, ce serait prétentieux de dire que et eh, nous sommes favoris. Non, peut-être que nous, l'aurions été parce que on, est, joue à domicile, il y a la pression du public. Il y, avait, c'était un stade en plein à craquer. Moi, je viens, je viens actuellement du, stade. Il y a jusqu'à la 70e minute de jeu, 15 e minute, il n'y avait aucun tir du Niger. Euh, vous voyez Et je pense qu'on a perdu la qualification lors du, deuxième match face au Burundi où on menait 3 buts à 1 jusqu'à la 15 e minute. Ils sont revenus. Ils sont revenus 3-3 jusqu'à pouvoir jusqu'à vouloir même gagner le match et là je pense que eh, c'est vrai c'est arrivé mais eh, je pense qu'il faut imputer l'échec de, cette compétition au coach de, cette équipe pourquoi on menait 3 buts à 1 c'est élémentaire c'est comme 1 plus 1 tout le monde sait que c'est égal 2 tu mènes 3 buts à 1 il reste 20 minutes 25 minutes tu renforces ou le milieu du terrain ou la défense. Tu ne peux pas faire un changement et tu mets un attaquant. Tu mènes déjà avec deux buts de cas, tu ne vas pas chercher encore à marquer. Il faut renforcer la défense, il fallait renforcer le milieu du terrain et il fait des changements. Et là encore, il a fallu que le public eh, crie pour faire le changement, pour qu'il le fasse, et il fait le mauvais changement. Je pense qu'on avait perdu la qualification. Si on avait gagné, par exemple, le match là, on serait déjà à 4 points. Imaginez 4 points, ça veut dire qu'ici, même si on, on, perd ce match, et on allait faire le calcul pour voir si on Donc est, le, Niger, le Niger avait perdu euh, la... partie d'aller en demi-finale déjà euh, en jouant ce match, en perdant ce match contre la Burundi. En, faisant, en faisant... Vous vous rappelez ici, je ne sais pas, il y a deux semaines, que était là, on, on disait et ce n'est pas parce qu'on a gagné des matchs amicaux euh, qu'on va gagner prétendre parce que on, s'est vu trop beau lorsqu'on a gagné les matchs amicaux on a gagné le Ghana on a gagné le Maroc on a fait ci on pense non c'était des matchs amicaux lorsque les enjeux sont autres la compétition devient autre, donc les objectifs aussi changent. Je pense que nous sommes encore au stade d'apprentissage et quoi qu'on dise, les joueurs qu'on voit sur le terrain, les joueurs du MENA qu'on voit sur le terrain, vraiment, il faut le dire clairement, on n'a pas d'équipe. Les joueurs aussi ne sont pas euh, qu'on a voulu. Il y a du, de l'individualisme. les joueurs aussi ne sont pas tels qu'on les a présentés au, au, public. Et je pense qu'il faut tout revoir, il faut tout changer. En plus des problèmes organisationnels qui sont. Nous allons, clairs, nous allons aborder Donc, Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses dans la manière même de gérer nos équipes nationales. Sidi Kali Moi, je pense qu'il vient de lâcher le mot, il faut être réaliste. Il faut vraiment être réaliste. Nous, notre problème au Niger, c'est qu'on n'est jamais réaliste. C'est-à-dire que quand vous partez à un combat, essayez d'évaluer vos forces d'abord avant d'aller à ce combat. Mais si vous surestimez vos combats, euh, vos forces, alors que sachant bien vraiment en tout cas la supériorité vraiment en tout cas de, votre adversaire, c'est que forcément vous allez perdre. Moi, je ne rentre pas dans les détails, dans tous les cas, n'est pas mon domaine. Ne me dites pas de faire une ordonnance à la place d'un médecin. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que le Niger a eu un seul mérite et moi, je me suis dit, le meilleur moment où il fallait fêter le Niger, le meilleur moment où il faut crier vraiment à la victoire et tout, c'est les quelques 40 minutes avant que l'équipe l'équipe du Nigeria ne marque son but l'autre fois. Parce que là, au moins, c'est le suspense. Mais au moment où l'équipe du Nigeria a marqué là, après, j'ai dit, mais ça y est, nous sommes redevenus nous-mêmes. Voyez-vous, on va prendre les buts en cascade, les enfants vont un peu perdre leur, euh, leur morale. C'est-à-dire que les dirigeants vont se livrer à une sorte de cacophonie. Déjà, ça a commencé d'ailleurs. voyez la fois de on me dit qu'à il y a un problème d'éclairage. vous Alors, on est devenu nous-mêmes. Bien. Issa Madougou, comment vous, analysez finalement ces résultats qui, euh, qui est tombé euh, net Ce n'est pas une surprise, il faut dire. Il faut pas, euh, quand même, il n'est pas interdit de rêver, certes. Mais quand même, les autres qui viennent à la compétition ne viennent pas faire aussi de la figuration. Ils sont venus pour gagner. Donc aucune équipe <laughs> ne va venir aujourd'hui se coucher sur le terrain et laisser le MENA gagner. Non, mm. chacun est venu pour le titre. Surtout pas le Nigeria. Euh, non, même les autres. On a vu vraiment les deux premiers matchs avec l'Afrique du Sud. Euh, mais quand même, pour les deux premiers matchs, on peut dire que le MENA peut faire quelque chose. Mais compte tenu du résultat qu'on a vu, euh, espérer avec le Nigeria, parce que c'est l'expérience des joueurs du Nigeria, moi, qui m'a fait peur. C'est pour cela le résultat. C'est bon même que ça s'est arrêté à 1-0. 1-0, ils ont gagné 1-0, c'est bien comme ça. Mais quand même, félicitations aux jeunes ils ont pu faire avec euh, vraiment les moyens de bord, mais quand même, ils n'ont pas assez d'expérience. Par exemple, quand vous prenez des équipes comme euh, j'ai entendu parler un peu du Sénégal, ou je parle sur le contrôle du capitaine qui joue en France. Euh, ils ont de l'expérience, façon dont lui-même il détaille euh, le jeu sur le terrain, mais même notre coach national ne peut pas le faire. Donc voyez-vous, c'est pas la même carrure et ce n'est pas la même politique de, oui, de développement de, du sport dans le pays. Je l'ai dit, pour ne pas vous couper la mhm. parole, petit frère. Euh, la fin d'année, j'étais parti au niveau du centre Fenifoot. J'ai trouvé des jeunes dans ce qu'on appelle des petites salles qu'on appelle des chambrées. C'est ça, non mhm. On me dit c'est eux les, joueurs du Niger. Et les chambrées, là, mais c'est impensable. Or, dans les autres pays, un joueur qu'on prépare à mettre vraiment en tout cas sur le marché, mais on crée toutes les conditions pour que ce joueur vraiment soit non seulement bien logé, bien nourri, bien traité, bien soigné. Et, aujourd'hui, le Niger, on a comme l'impression qu'avant même d'arriver, mais c'est comme vous, si vous dites à une femme de préparer du tout, et avant même que le, tout là, commence à solidifier, <laughs> il commence à mettre du lait et boire tout. Bien. Parlons euh, de l'aspect organisationnel de, cette compétition. Euh, Justement, euh, tout à l'heure, je suis en train de parler. Au Niger. Euh, le Niger a eu le mérite quand même d'avoir organisé ce, ces compétitions. Quels sont les, les, les, aspects, en tout cas, sur lesquels on peut travailler Oui, les aspects sur lesquels on va travailler, dans tous les cas, le problème du Niger, c'est toujours un problème de leadership. Il faut le reconnaître. Euh, aujourd'hui, le football nigérien, sa gestion, elle est complètement bicéphalisée. D'un côté, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui refuse de lâcher, qui devient décortable. Et de l'autre côté, il y a la FENFIT qui a pour mission vraiment, en tout cas, de gérer le football. Alors, moi, je me suis dit, dans tous les cas, cette guerre-là, ça doit se taire. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, le recrutement des joueurs là, tant qu'on ne part pas jusqu'en profondeur dans le pays, jusqu'au village. Pour chercher des, C'est-à-dire que les, jeunes, vrais joueurs. Talents. Le plus souvent, malheureusement, ceux-là qu'on présente, tout, à l'heure, euh, Roufail l'a dit, c'est-à-dire que ce n'est pas des vrais joueurs souvent qu'on présente. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis bien placé je recommande mon fils. Un autre va recommander son petit frère. Parce que le football est devenu une industrie. Euh, si vous permettez, Rufai Dandoua, euh, aspect euh, côté organisationnel sur le plan matériel. vous savez, avant de répondre à la question là, les, préparations elles sont d'ordre mental, elles, sont à tous les niveaux. La dernière fois, il y avait juste un, aspect qui, qui, qui, qui, a retenu mon attention. À la fin du match, il y avait un joueur nigérien qui était blessé. Et il était sorti avec le kiné de l'équipe. Ils étaient partis à la pharmacie ensemble. Tu ne verras jamais ça dans, dans un pays, dans aucun pays du monde. Un jour ne peut pas aller. Je n'ai pas compris. Rufa, nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est très, important. Très important. Je demandais. tu as posé la question. Le, public le suivait. J'ai dit, mais c'est quoi On m'a dit, non, c'est le numéro 6 là, le meilleur joueur peut-être du match de jour là. Et j'ai dit, par où on m'a dit qu'il partait à la pharmacie avec le kiné de l'équipe. Ça, c'est un aspect très important pour montrer et l'amateurisme qui caractérise la, gestion de, de, notre, notre Deuxième chose, quand vous prenez par exemple l'organisation et Hamad, le président de la CAF, a dit c'est la pire organisation qu'il ait vue depuis qu'il est venu. Déjà, quand on, quand, on, amène les. Presque tout le monde à a le badge pour accéder partout. Ça se fait pas. Un, deux. Quand il partait à la mi-temps, à la pause, pour aller se rafraîchir, là où le président de la CAF est, qui est peut-être plus important qu'un président d'une république, tu vois tout le monde rentrer dans la même salle. Il était étonné. Il n'a jamais vu ça. C'était un désordre. Et le problème de l'électricité à Maradi, déjà, si vous vous rappelez, et quand on avait confié, déjà la, coupe l'a, on l'a confiée au Niger, pourquoi pour remercier le, président de la fédération pour avoir euh, voté pour Ahmad. Ils ont conservé ça parce qu'il a fait ça. Maintenant, pour Maradi, on dit qu'il faut aller jouer à Maradi. Tout le monde savait que Maradi n'était pas prêt. Le ministre même à l'époque a dit que Maradi n'était pas prêt. Mais parce que le président de la fédération a fait une promesse aussi. Et vous vous rappelez, les élections se sont déroulées à Maradi. Il a fait la promesse, il fallait qu'on joue à Maradi. le président de la fédération était jusqu'à aller dire au sultan que le ministre natif de Maradi ne veut pas qu'on joue à Maradi. qu'est-ce qu'on doit faire C'est pour, C'est pour vous dire, euh, c'est pour vous dire, Pour, en tout cas améliorer parce qu'il faut... Il faut qu'on se... l'électricité, renforcer l'éclairage. <laughs> Il faut, il faut, qu'on se professionnalise et il faut qu'on se lève tôt. On ne peut pas préparer une équipe à la veille d'une euh, compétition. Je suis sûr que la FEDNIFIS va sortir pour dire que non, il y avait eu des manquements et alors qu'à la veille, ils avaient dit que tous les mois ont mm. été mis en place en ah, œuvre pour que l'équipe soit bien préparé. C'est pour du forum d'aujourd'hui. On ne peut pas faire du kame Il faut vraiment être professionnel à tous les niveaux. Fin du forum de la presse, nous étions en compagnie de Sidi Kali, analyste politique, Rufai Dandoua, journaliste indépendant, et Issa Mormadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. À la présentation, Alassane Kouzi Mamadou. Rendez-vous demain, euh, samedi, samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma sur la prise en charge de la lèpre au Niger.